au Sénégal. Mm-hmm. Moins de 100 jours même. Est-ce que dès que Dani, qu'est-ce qu'il nous propose sur l'immigration, sur l'emploi des jeunes, sur la santé, mm-hmm. sur etc. Docteur Abdourahmane Diouf, l'immigration proposé sur l'immigration, malheureusement, on qu'ils auront l'occasion. Mais non, je ne pense pas. Ah oui Ah oui, parce que. Mais ils ont déjà leur programme. Hein. Non, avoir le. <laughs> Oui, oui, oui, je suis d'avis que. Ils ont déjà leur programme. Hein. Souvent, le problème, c'est de nous lire le programme candidat. je ne parle pas de. de... Ils ont le programme. Oui. Madame, le débat devait être le, débat. De Non, pas de, non, ils sont en train de proposer, certainement, mais ils ne sont pas audibles. OK oui ou non ah vous trouvez actuel non c'est pas de leur faute mais c'est c'est le débat mon on est que non il y a quelqu'un qui y a certains qui sont beaucoup plus responsables ah, non non peut-être que non non vous il faut reconnaître quand même qu'ils sont en de collecter des parrains quand même il y a le parrainage qui a démarré on ne se comprend pas non bàyyi <laughs> bàyyi collecter des parrains. il y a un débat qui nous a été imposé quoi il y a un débat qui nous a été imposé vous laay wax Manam les journalistes ont actualité ci la dox. Mhm. mais débat bi lim mu don tay moy mhm. évidemment on est en fait une confrontation des idées. sur diw li mu Sénégal. diw li la bëggal Sénégal mais non pas ci procédure judiciaire. Mhm. te malheureusement génn guñ ci hein xam nga le président Macky Sall bi ko yàlla dimbalee ba mu jël cette décision. Que contrairement à beaucoup et contrairement à lui-même hein, qui disait que la Constitution le lui permet, mais il a décidé bien non, la Constitution ne lui permettait pas du tout. Il n'en avait pas droit. Mais heureusement, finalement, il l'a fait. On l'a dire tout de même parce que beaucoup, bu candidats candidat day en fait exacerber tension bi am ci dëkk mm-hmm. mais nous am comment il pouvait éviter le Sénégal de tout ce qu'on est en train de vivre. Déjà, nous sommes dans une présidentielle conflictuelle déjà. Le processus électoral que nous connaissons est déjà conflictuel. Avec ces histoires de euh, Cour suprême, des bok, du déjà, amna. histoire du Sénégal, fatli kouma, gestouma, liwouma, faut maintenir élection présidentielle, tol nañu à 100 jours, nous sommes sur le débat, qui donne candidat à qui donne candidat mhm. l'exclusion électorale ça n'a jamais été le fort du Sénégal Ablaye Wade en 88 il a été condamné pour appel à l'insurrection Fat Abdou suite aux événements de 1988 mais xam nga après bi Abdou Diouf taf taf dañ une loi d'amnistie

c'est ce qu'on appelle la dévolution pacifique du pouvoir l'ol démocratie moo élection mais les dossiers judiciaires c'est pas la première fois Sur Abdou Diouf également gis nañu li nga xam ne fi Abdou Diouf Wade également en 2019 parce que du ça fait débat quand mooy a ak kudul à trois mois de la présidentielle comme ni Khalifa Sall Karim Wade. donc qu'est-ce qui a changé. oui ce qui a changé c'est que les conflits politiques ont toujours existé au Sénégal. Mais on les réglait toujours politiquement. Mm-hmm. Les conflits politiques. nous sommes mm-hmm. Sénégal. nous au Sénégal nous on a n'a pas en quelque sorte une démocratie apaisée. On a une démocratie conflictuelle. Mais tout de même, à chaque fois, on parvenait toujours à trouver mm. des ententes politiques. À travers des dialogues. Des dialogues, des discussions et de la hauteur des uns et des autres. Mm-hmm. mais 93 biñ ci biñu non avant maître Babacar excusez-moi bi les six policiers non après même le code c'était en 92 6 mm. policiers fi. mais biñ ci mais dañ a Ablaye Wade ay ay ay ay mais gis nga bañ ba de faits grève de la faim d'ailleurs là aussi dans bëgg époque fatli, grève de la faim y a une ci histoire politique au Sénégal mais bañ ko faits mais cinq jours la de def Abdou Diouf daal mais kon dama lay wax ni des tensions politiques ça a toujours existé mais on a toujours apporté des solutions politiques aux conflits politiques au Sénégal non pour le cas de Bassirou Diomaye Faye non voilà merci beaucoup merci mm-hmm. beaucoup pour le cas de M. Diomaye Faye vous savez le parti passif avait trois options mm-hmm les deux me paraissaient suicidaires trois options il y bi on boycott une élection présidentielle non moi je pense comme Ablaye la politique de la chaise non non on ne boycotte jamais une élection. je pense comme Ablaye Wad. une option bi en fait du Sonko ou comme ce que les les en fait nos amis du PDS avaient fait en 2019 Karim Ouvin. Bobo aussi c'est suicidaire. La troisième option maintenant, qui me paraît être politiquement la plus intelligente, mhm. c'est de dire, mais on va essayer de participer. Et pas maintenant un candidat. Légui, démocratie. Et par rapport à ce profil choisi Non, par rapport à ce profil maintenant, mm c'est quelqu'un qui me semble qui peut même bénéficier d'un capital sympathique même au-delà de son Sonko. Pourquoi mhm. Parce que c'est quelqu'un que beaucoup disent, en tout cas, il est pondéré. Mhm il n'est pas dans un discours va t guerre donc c'est quelqu'un quand même qu'on va tenir. même bu vous allez même voir des gens qui sont même de Benno Bokk mhm. mais quand même qui sont qui se sont sentis un peu mal. donc il a le profil selon vous. oui mais après ce sont les Sénégalais qui vont apprécier une élection présidentielle de une élection présidentielle manam ki nga xamné askan wi gisee ak ñoom. absolument am na ne ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux mënuñu seetaan télé. absolument et kooku war nga leen djégué war nga leen gis. est-ce qu'il a les épaules larges même si wax nga ko mën am sympathie pour peut-être. té appareil wu ex pasté ak benen parti bu ñu ko mëna dippé mais également dem élection présidentielle. waaw xam nga mom la doon wax sank xam nga ma ngi dégg xam nga eh, démocratie état de droit dafa am lu mu laloo état de droit moy ñëpp dañuy lalu ci loi quand je dis pas », en commençant même par la plus haute autorité du pays mm. en commençant par l'administration le Sénégalais le plus petit tout le monde mais état de droit mon moo may à l'état actuel que suis en train de faire un candidat xam nga nit ñu tuumal ko sax boom doomi aadama taxul mu bénéficier ce qu'on appelle de la présomption d'innocence mm. nit atte buñ la en première instance taxul sax ñu wajé la gënné la ci fichier manam taxul ñu né yawa. ñu dem appel taxul batay ñu né yawa pour ñu né yawa il faut que mu nekk ce qu'on appelle sous l'autorité de la chose jugée manam fiñ ñu ba fa bal ba fa pëndëg a wëre ñu dem ba cour suprême ba ñu dogal ni li amna mo dal supposons le cas de Sonko ak Mame mais jusque là la procédure sur Sonko donc jusque-là, la, la, condamnation de son coup contre Mamegna ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Parce que coup suprême bataille à Dogouti. Donc, parce que Diomaye fait son cas également, à dara. amul nit ko a mais peut-être problème qui est évoqué la dissolution du. mais la dissolution ne peut pas être un problème. à ce niveau ñun dañuy wax ci mhm. euh, le Sénégal l'article L57 dafa leer. Mhm waxul ben yoon ni nit buñu dissoudre sa parti les membres de cet ancien parti là on connaissent une déchéance électorale loi bi waxuko mhm. loi bi waxul it ben yoon ni nit bu la en fait bu dissoudre parti bi mënatoo nek candidat etc. xam nga loi bi wax D'où le vide juridique. Non, il n'y a, pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. La mhm. loi est très claire à ce niveau-là. Mhm. La loi nous dit tout simplement que L57, que pour don candidat, soit, il n'y a que deux options. Soit, c'est un parti politique légalement, constitué qui t'investit ou une coalition de partis politiques légalement, constitués. Mais légalement constitué, madame. Voilà mais je vous rappelle Idrissa en 2007. Légalement constitué. Mais Idrissa, non. Voilà les deux non, non, légalement constitué, ce ne signifie pas que mon parti à moi, mais que parti Bilay Samp. Bilay Samp. légalement constitué. Mon légalement constitué. Hum.